forum forum, the forum the forum, the forum the forum, the forum distribution kalam forum du studio Kalangou. Pour comprendre les sujets qui font l'actualité au Niger. Tous les jours à 18h15. Studio Kalangou au rythme du Niger. Studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou. À Niamey. Sur la radio Enfani. 100 FM sur la radio alternative 99.4 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Arlit sur la radio Icocal, 95.1 FM à Difa sur la radio Amphani 100 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à sur la radio Azuru 95.1 FM à Pilengui Mesdames, Messieurs, bonsoir. Euh, bienvenue au forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningauré, Tirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Le forum de ce vendredi est consacré en grande partie à l'attaque hier aux environs de 14 heures des forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurisation de la zone d'accueil des réfugiés maliens de Tézalit à Tassara. Tassara, c'est à, à 180 km de la frontière malienne. Le bilan, 22 soldats nigériens tués, c'est un bilan du gouvernement nigérien dans un communiqué diffusé en bandeau sur la télévision nationale. Les assaillants ne sont pas formellement identifiés. Vous suivrez le témoignage d'une femme qui était dans la zone d'accueil des réfugiés maliens lors de cette attaque puis des réactions avec deux députés de la région d'Ottawa, Habib Andaché et Idriss Medaji, qui condamnent fermement cette attaque et demandent à l'État de poursuivre les assaillants. Nous allons aussi tenter d'analyser les causes profondes de cette insécurité le long de la frontière nigéro-malienne avec le directeur de publication de, de Info, Ibrahim Mazou Diallo, et le président du conseil des éleveurs Peul nord tilabiri Boubacar Diallo. Vers la fin, sur un tout autre plan, vous suivrez des explications d'un expert sur la cybercriminalité. La cybercriminalité, c'est un crime commis à travers Internet. Ceux qui le font, ce sont les cyberescrocs, les hackers, qui nous font chanter quotidiennement à travers des mails et des réseaux sociaux comme Facebook ou WhatsApp. L'ingénieur en informatique Haruno Momoni nous en dira plus sur ces malfaiteurs du net. Oui, la zone d'accueil des réfugiés maliens euh, de Tazalit, dans le département de Tassara, a fait 22 morts, l'attaque du moins de la zone d'accueil des réfugiés maliens euh, à Tazalit, dans le département de Tassara, a fait 22 morts parmi les forces de défense et de sécurité. C'est le bilan du gouvernement qu'on peut lire dans un communiqué diffusé en bandeau sur la télévision nationale une attaque en plein jour que certains ont vécue, bien sûr, comme cette femme dont je vous propose de suivre son témoignage. Ces deux véhicules seulement qui sont venus, ils se sont dirigés vers le militaire et ont commencé à tirer sur eux. Ils ont pris tout ce qui est produit pharmaceutique, mais ils n'ont pas touché aux réfugiés. Ils ont tué 22 militaires et pour ce qui est des blessés, je n'ai rien vu. Ils sont partis avec des véhicules, l'une appartenant à un particulier et l'autre véhicule appartient aux militaires. Ils ont aussi brûlé l'ambulance. Le témoignage d'une femme sur l'attaque de la zone d'accueil des réfugiés maliens de Tazaret hier soir. Cette attaque a créé un choc chez les réfugiés c'est ce que nous explique euh, Benoît Moreno du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR Niger, qui intervient dans la zone. Nous l'avons joint cet après-midi. Euh, les réfugiés sont, choqués euh, d'une telle ampleur. C'est important de préciser que ce n'est pas un camp de réfugiés à proprement parler, mais c'est ce qu'on appelle une zone d'accueil de réfugiés. C'est-à-dire que la distance d'un camp, c'est des espaces ouverts où les réfugiés, qui sont la plupart des nomades, peuvent continuer leurs activités d'élevage. Donc ce n'est pas un camp, mais une zone de réfugiés. C'est pour ça que se trouve dans la zone de Tassara, et une zone pastorale. Mais comme, comme euh, vous pouvez imaginer, quand vous, euh, une attaque arrive sur un camp, bien sûr qu'il y a, que est un petit peu atteinte, euh, euh le moral est, affecté. Donc là, on a des équipes qui sont sur place pour discuter avec les communautés, voir comment on peut intervenir surtout d'un point de vue euh, psychosocial ou, ou l'accompagnement. Bien sûr, c'est compliqué, mais on sait qu'on est dans un environnement sécuritaire sensible. Hein. Il faut se rappeler qu'il y a, il y a cela trois semaines, on a eu une attaque sur le camp de réfugiés de Tabaybay, dans la région de Tilabé. Il y a deux ans, on avait eu une attaque euh, au niveau du camp de Manguézé. Donc on sait qu'on est dans une situation euh, sécuritaire un petit peu sensible même si on ne s'habitue pas, mais on sait que la situation est comme ça. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé euh, Les informations que vous avez pu entendre ici et là dans les médias, des équipes qui sont arrivées et, qui ont attaqué le poste de sécurité. À votre avis, pourquoi les attaques sont récurrentes dans cette zone C'est une zone qui est, qui sensible non, au niveau sécuritaire, euh, toute la bande euh, Niger-Mali. On sait que la situation au Normali est loin d'être euh, stabilisé, donc automatiquement, ça a des répercussions aussi euh, sur le sol nigérien. Comment vous collaborez pour, euh, en faveur de ces réfugiés bon, On travaille avec, avec, avec des ONG partenaires, on travaille aussi avec la Direction générale de l'État civil et des réfugiés, donc qui est rattachée au ministère de l'Intérieur. Donc on travaille avec toutes ces structures pour apporter l'assistance et la protection aux réfugiés qui sont au Niger. La situation est difficile. De quoi vous avez besoin bah, il faut, Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est dans une situation où euh, ben, la situation des réfugiés maliens n'est plus euh, vraiment euh, soulevé par les médias, par la presse internationale. On a une grosse réduction euh, des fonds pour, pouvoir assister ces populations réfugiées. Donc, on sait que ces réfugiés vont sûrement rester encore longtemps parce que la situation normaliste n'est pas n'est pas stabilisée. Donc, quand vous avez des populations qui restent et même des populations qui arrivent, mais vous avez une réduction des fonds, bien sûr, ça pose des problèmes dans nos opérations au quotidien pour assurer de bonnes conditions de vie aux réfugiés. Vous avez le soutien des deux États le Mali et le Niger Oui, nous avons le total soutien euh, du Niger parce que nous travaillons déjà très très très avec euh, cette autorité. Euh, on a quand même un contexte d'accueil très favorable. Les réfugiés maliens ont, accès à l'éducation, à la santé et à l'eau au même titre que n'importe quel citoyen nigérien. Donc on travaille de très très près avec les autorités nigériennes pour trouver des solutions malgré cette réduction des fonds. Voilà, Benoît Moreno du Haut Commissariat aux réfugiés HCR Niger après l'attaque euh, de la zone d'accueil des réfugiés maliens de Tazalit hier soir. Il faut dire que nous avons pu recueillir beaucoup de réactions, comme celle du député Abib Andaché, euh, qui condamne fermement cette incursion sur le camp, euh, sur cette zone d'accueil, et il demande à l'État de poursuivre les assaillants afin de les identifier. Je vous propose de le suivre. Il y a attaque parce qu'une sécurité n'est jamais assurée à 100%. Bon, partout ailleurs, il y a des, patrouilles. Mais quand on regarde l'aspect général du Nord, c'est que la frontière est poreuse et que certainement ceux qui veulent attaquer, ils sont aussi informés de tout ce qui se passe. Ils ont des éclaireurs, ils ont des gens qui les renseignent. Certainement, c'est à la suite de cela, bon, ils ont commis leur forfait. Et selon vous, pourquoi attaquer un camp de réfugiés parce que c'était le camp de Tabarbaré et d'Ayerou qui avait été victime d'une attaque. Cette fois-ci, c'est le, camp de réfugiés de Tassara. Pourquoi, selon vous spécifiquement, ces attaques-là sont dirigées au niveau des camps de réfugiés Parce que là-bas, c'est des gens qui sont désarmés d'abord. Les gens qui attaquent, ils savent qu'ils ne seront pas inquiétés puisque euh, les réfugiés ne sont pas armés. Donc euh, ils peuvent à tout moment venir et puis, perturber la quiétude des gens qui sont installés dans, dans le site. Bon, la raison, vous savez, euh, les djihadistes, euh, leur raison c'est de mettre la peur au cœur des gens. Moi je crois que c'est ça. Hein. Mais honorable, Bien sûr que les, réfugiés ne sont pas armés, mais il y a quand même euh, des forces de défense et de sécurité qui sont censées assurer la sécurité de ces camps de réfugiés-là. Oui, vous savez, euh, je viens de vous dire que la sécurité n'est jamais assurée à, 100%. Bon, euh, les, forces de défense et de sécurité, ils font leur travail. Mais seulement, bon, comme l'ennemi est là, on ne sait même pas à quel moment il va surgir et ne vous prévient pas. Donc, vous voyez, il se pourrait que dès que la garde un peu baisse, il y a l'inévitable qui arrive. Parce qu'une surveillance, bon, on ne relâche pas. Il faut avoir euh, beaucoup de renseignements. Il faut être renseigné à tout moment. Il faut placer des, éclaireurs aussi partout, même parmi les civils. À chaque fois qu'ils voient un mouvement, on vous avertit. Donc, euh, ce qui est nécessaire de se mettre en confiance avec les gens conservés et avec les gens aussi de la, du, du territoire pour qu'ils puissent vous amener des renseignements et que vous puissiez vous préparer en conséquence. Sans renseignement, on, ne peut pas agir convenablement. Alors là, les renseignements ont failli Bon, je ne sais pas si les renseignements ont failli, mais toujours est-il que les faits sont là. Les faits sont là. Je ne sais pas si ils ont été euh, informés ou s'ils ont été attaqués par surprise. Bon, certainement, ils ont été par surprise. Parce que euh, vous ne pouvez pas savoir que à tel à telle heure ou à tel moment que vous serez attaqué. Bon, il a fallu que la situation arrive, mais maintenant c'est déplorable. Oui, mais ils sont censés, ces forces de défense et de sécurité, être toujours sur le qui-vive, non Donc peut-être qu'il y a eu une négligence quelque part Bon, peut-être que vous avez trouvé le mot, mais moi je ne sais pas s'il y a une négligence ou non, mais toujours est-il qu'il y, y a quelque chose qui a dû se passer. Quoi Vraiment, je ne peux pas savoir, Voudrais exactement ce qui s'est passé, parce que maintenant, c'est ceux qui sont sur place qui peuvent dire, euh, voilà ce qui, ce qui réellement s'était passé. Parce que maintenant, même si euh, on, se met à discuter sur ceci ou cela, bon, euh, ce n'est que des, simples spéculations parce qu'il faut avoir des, renseignements vrais, tout le processus qui s'était passé pour que la situation arrive à ce point-là, pour, pour savoir vraiment réellement ce qui s'est passé mais selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour contrer ce genre de situation déplorable Pour contrer, c'est qu'il faut peut-être renforcer euh, les éléments de l'armée. Non seulement renforcer, aussi leur donner le moins de mobilité et surtout, surtout les renseignements. C'est surtout les renseignements. Parce que dès que vous êtes renseigné, vous allez vous tenir prêt pour euh, contrer toute, euh, pour faire face à toute éventualité le député Habib Andaché sur l'attaque de Tazalit euh, hier soir, des propos euh, recueillis par notre reporter Abdoulaye Mamoudou, qui a aussi recueilli la réaction d'un autre député de la région de Tawa. Il s'agit de Idrissa Medaji. Suivons-le. Effectivement, nous avons appris avec euh, un grand regret ce qui est arrivé au camp de réfugiés dans le département de Tassara. C'est une situation déplorable, c'est une situation regrettable que nous pensons qu'on pourra essayer de régler très vite parce que cette zone, c'est une zone qui fait frontière avec le Mali, c'est une zone qui fait presque frontière avec l'Algérie. Donc c'est une zone d'insécurité et une zone très poreuse. Malgré les moyens que l'État a mis, il y a des patries qui circulent tout au long de la frontière, depuis la région du Télabéry jusqu'à la région de Tawa. C'est un truc régulier. Nous avons appris ce qui est arrivé à ces camps de réfugiés. Nous le regrettons amèrement et nous pensions que l'État va prendre des dispositions pour essayer de rattraper les assaillants et de savoir au juste de qui il s'agit et pourquoi ils l'ont fait. Que la position géographique de ces camps, je vous l'ai déjà dit, et cette position géographique et cette zone d'insécurité qui est créée, c'est peut-être ce qui permet facilement à ces bandits armés, à ces trafiquants de s'en prendre au camp des réfugiés. Pour le moment, c'est la seule raison qu'on peut avancer en attendant de voir ce que l'enquête dira par rapport à cette question. Oui, mais en fait, ces camps de réfugiés sont censés être euh, en cas sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. Moi, je vous ai dit que l'État a mis les moyens pour sécuriser cette zone. Il il y a suffisamment de moyens, suffisamment de militaires pour sécuriser cette zone. Il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment de militaires. Bon, comme c'est des patrouilles, ils sont souvent en mouvement. Peut-être chaque fois, ils sont en train de s'informer où se trouve la position de l'armée nigérienne et ensuite ils vont essayer d'attaquer le camp des réfugiés. Mais sinon, si vous, euh, constatez ce qui s'est passé, dire qu'on a tué 22 militaires la dernière attaque, ça présage que c'est une attaque surprise. Mais sinon, il y a suffisamment de militaires qui patrouillent le long de la frontière. Donc, euh, euh, il faut renforcer les renseignements pour avoir beaucoup plus d'informations sur ces bandits et pouvoir les, gérer. Oui, renforcer les renseignements, c'est parce que les renseignements ont failli <coughs> Non, mais je n'ai pas dit que ça a failli, mais les renseignements, on a toujours besoin de renseignements. Même les États-Unis, qui sont la, la puissance mondiale, vous avez vu comment ils ont été attaqués une fois. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut renforcer les renseignements. Les renseignements, c'est toujours bon d'avoir suffisamment d'informations pour savoir qui fait quoi, qui fait quoi et qui est peut-être complice de ces bandits armés le député Idrissa agit sur l'attaque de Tazalit. Donc la zone d'accueil des réfugiés maliens de Tazalit attaquée en plein jour avec 22 euh, morts, bilan dressé par euh, le gouvernement hein, parmi les forces de défense et de sécurité. Mais pour l'heure, on ne sait qui a amené cette attaque euh, meurtrière. Le directeur de publication du journal IRFO, qui connaît bien la région, pense lui que ce sont les narcotrafiquants qui sont à l'origine de cette attaque je vous propose de suivre les explications, l'analyse de Manzo Diallo que nous avons joint ce matin. Franchement, moi, je ne suis pas du tout surpris euh, de cette attaque parce que cette zone, c'est la zone par excellence de tous les trafics, de tous les grands banditismes. Tout le monde sait que cette zone, elle est fréquentée par des narcotrafiquants. Cette zone est, et souffrent d'un laisser-aller, d'une démission totale euh, de l'absence de l'État. Et les gens euh, font ce qu'ils veulent. C'est quand même un poste administratif, un département, j'allais dire. C'est un département où, franchement, depuis les, toutes premières rébellions au Niger, depuis les années 90, il y a, a des centrifuges euh, qui sont là, qui, qui défient l'autorité de l'État, des qui se couvrent derrière la carte politique pour faire des sales besognes, pour pour s'adonner à des trafics en tout genre. Le bilan était trop lourd, 22 morts selon des sources bien informées. Il n'y a pas encore eu de bilan officiel. 22 morts, c'est quand même beaucoup. Hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un pays qui ne demande qu'à être euh, euh, euh, libre, un, pays qui ne demande qu'à résister à toutes ces forces maléfiques. C'est vraiment trop lourd pour notre pays. C'est vraiment trop lourd pour notre chère armée et qui, tout le monde le sait, et c'est, euh, fait de son mieux pour, pour, pour, pour protéger le, pays, un immense pays et une, longue frontière. Et il faut vraiment euh, euh, le dire avec amertume, euh, notre armée nationale ne mérite pas ce euh, qui vient d'arriver. C'est un camp de réfugiés qui a été attaqué. Pourquoi ce camp justement Ce camp, euh, d'abord, il faut le dire, n'est pas loin de la frontière malienne. Et ce camp, il y a beaucoup de gens qui profitent du, titre de réfugiés pour venir, c'est-à-dire flâner allègrement dans, les, dans le sillage de ces réfugiés et prendre des repères, des informations sur l'habit, malheureusement sur l'habit du réfugié. Si ce camp a été à attaqué, vraiment, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Qui peut avoir attaqué ce, camp Ce camp, euh, il n'y a, personne qui peut attaquer ce n'est pas euh, toutes ces personnes qui n'ont aucun boulot que le trafic de, drogue. Ces gens, euh, tout le monde le sait, ils sont là pour le business de la drogue, pour les drogues qui quittent la Mauritanie, qui passent par le Mali, passent par le Niger et remontent au-delà des pays limitrophes du Niger c'est-à-dire Ça peut être aussi des, islamistes Des islamistes, euh, il faut le dire euh, ils clairement, des narcotrafiquants. C'est pourquoi les gens hésitent à les qualifier ainsi. Les gens, c'est des narcotrafiquants. Ils sont là pour le business de ce, de ce trafic. Tant qu'il y aura euh, ce trafic dans cette zone, il y aura la présence de y C'est des gens qui sont euh, qui, se cachent derrière le fallacieux prétexte de la religion pour s'adonner à ce business, ce business euh, de la drogue. Quel intérêt ils ont à attaquer un camp de réfugiés Ce n'est pas pour vendre de la drogue quand même. Il faut l'avouer, ce camp de réfugiés se trouvent sur, sur le tracé, sur le tracé de, euh, la drogue. toutes les communes qui sont concernées sont aujourd'hui menacées. Je comprends les véhicules qui passent nuitamment ou qui profitent des jours des grandes prières c'est-à-dire le vendredi, dans pleine journée, c'est dans certaines communes, c'est le tracé de la route de la drogue. Nos autorités sont au courant que des véhicules euh, qui sont bondés de drogue traversent la région de Tawa, la région d'Agadez, remontent jusqu'à aller euh, à destination. Tout le monde le sait, il y a une route qui est là et c'est une bretelle, c'est la bretelle de la drogue. Toutes nos communes sont concernées, que ce soit dans la commune, dans la région d'Agadez, la commune d'Aderbisnat, que ce soit euh, la commune d'Ingal. C'est un tracé les gens savent que ces gens passent par cette route. Donc tout celui qui se met au travers de la route, je vous assure, ils vont l'attaquer. Ils vont faire tout pour le faire écarter. Et malheureusement, ces camps de réfugiés est sur le tracé de cette route. Nos autorités sont au courant de tout Nos autorités font de leur mieux pour, pour, pour contrecarrer la route de la drogue. Mais ces gens, ils, ont, ils, ont, ils sont super armés. Ils ont des armes de dernière génération nos, vaillantes euh, forces de sécurité n'ont même pas, euh, malheureusement, euh, la rapidité de leurs de leurs 4x4, qui sont des 4x4 flambant neufs. Et avec les maigres moyens qu'ont nos militaires, ils sont obligés des fois de se replier pour laisser passer ces gens-là. Nos autorités sont au courant de tout, mais ah. il faut le dire, elles n'ont pas les moyens de leur alors, que faire maintenant faire Il faut sensibiliser toute la population de cette zone, que ce soit la zone nord Kawa, que ce soit la zone nord Agadez, toutes les populations qui sont aujourd'hui là, qui regardent passer ces, marchands d'illusions, qui regardent passer ces, trafiquants de drogue, il faut les sensibiliser pour qu'ils soient l'oreille, pour qu'ils soient aussi la bouche de l'État. Il faut qu'ils sensibilisent les autres. Il faut que l'État soit là euh, juste pour, pour, pour euh, écouter les dires de sa population, pas prendre ces populations comme des, complices. Malheureusement, il y a un déficit de confiance entre les, populations du nord Niger ou du nord Taou avec l'État. Et ça, c'est regrettable. Vous dites que ce sont des narcotrafiquants, mais qui sont-ils D'où viennent-ils ces narcotrafiquants sont la, en majorité des gens venus de l'Algérie, c'est-à-dire euh, les, les, résidus des, groupes islamistes de l'Algérie qui ont trouvé refuge au nord Mali. C'est aussi ces gens, ces jeunes euh, chômeurs du, du, nord Mali que, que ces brigands ont embrigadés et ont complètement endoctriné et qui n'ont aucun moyen de subsister aujourd'hui que par le trafic de drogue c'est des gens qui sont endoctrinés, pas par un idéal, par un idéal religieux, mais par un idéal de gain, par l'appétit de gain. Ces gens aujourd'hui, ils font tout ce business juste pour l'argent. Un simple passeur de, de drogue, quand il arrive à, faire passer la marchandise jusqu'à la frontière avec la Libye, il a à peu près 3 millions de francs CFA juste pour un seul voyage. Ces, ces narcotrafiquants, ils ont de l'argent et ils savent qu'il y a de la main-d'œuvre facile dans ces régions qui sont là, ces jeunes qui sont là qui ont pris les armes un contre leur pays, mais aujourd'hui tu ne font rien. Donc ces gens là ce sont eux qui sont utilisés pour, pour, pour euh, faire passer allègrement cette drogue. C'est une zone très, très, trop dangereuse. Il faut que l'État, après l'État, il faut que toutes les populations qui sont un but de paix, qui veulent la cohésion, qui veulent que l'État existe dans cette zone, se rendent compte que le péril est à la demeure. Voilà l'analyse du directeur de publication du journal Air Info sur l'attaque de la zone d'accueil de réfugiés de Tazalit euh, dans le département de Tassara. Euh, une analyse de Manzou Diallo. Une autre analyse euh, sur cette attaque, toujours, celle de Boubacar Diallo. Il est le président du Conseil des éleveurs Peul nord tilaberi qui œuvre pour la paix le long de la frontière nigéro-malienne. Un peu surpris, Boubacar Diallo pense que ce sont plutôt des djihadistes qui peuvent être à l'origine de cette attaque. Disons, c'est un peu surpris quand même parce que euh, qui connaît la zone de Tawa, car le long de la frontière, depuis le début du conflit du Mali, je crois que c'est le côté de la région de Tilaberi qui est beaucoup affecté. Donc euh, vraiment c'est surprenant de voir euh, cette attaque, attaque d'envergure qui a aussi coûté autant de morts, jusqu'à 22 morts. Sincèrement, moi en tant qu'acteur de, la zone et de la question sécuritaire de, de la je suis surpris. Mais d'un côté, je ne suis pas surpris parce qu'on sait qu'il y avait des menaces. Il y avait des menaces le long de la frontière parce que qui dit la et Niger côté Niger, ça prend de Aïrou jusqu'à la région de Tawa, jusqu'à Tassara. Donc c'est toute cette bande qu'on a toujours crié. Mais il se trouvait que du côté de Tao, les gens ont toujours trouvé que c'est un peu calme, on s'en dit rien à personne, et on garde, on baisse le, la garde, et le fait de surprise est là. Ça, euh, vraiment, sinon, la zone est minée tout au long de cette frontière. La preuve, vous avez vu, il y a eu une tentative d'attaque contre nos forces de sécurité qui gardaient le, le, le, le, camp de réfugiés dans la région de Aïrou. Ça a échoué, il y a eu des, réfugiés qui ont été tués. Et pour un fin connaisseur, c'est fort possible qu'ils allaient reprendre. Sans compter les tentatives d'attaque des compagnies de, la frontière vers euh, Tiloa et tout ça là. Maintenant, la garde, ils ont compris que de l'autre côté, quand même, euh, il n'y a pas de la vigilance, euh, n'est pas de machin. Donc, ils ont profité, ils ont fait ce coup, ce qui, qui a vraiment énormément de mal euh, au peuple nigérien parce que perdre 23 compatriotes, et c'est inhumain, c'est pas sérieux ce qui s'est passé. Qui, qui est à l'origine de ces attaques On ne peut que euh, dire que c'est des jihadistes Parce que c'est leur méthode d'attaque. Quand ils cherchent d'un côté, ça ne marche pas, ils vont changer. Et je ne suis pas sûr que c'est le MNLA ou un groupe rebelle, parce que ce n'est pas leur mode opératoire de penser attaquer des militaires. Quand on voit attaquer une position militaire, c'est qu'il faut être un djihadiste, un fou. C'est eux qui sont capables de le faire. Sinon, un, groupe euh, rebelle comme euh, l'image de MNLA ou d'autres groupes à, euh, ou les trucs ne peut pas. Ça ne peut être que ces djihadistes. Et on a vu qu'il y a Ansardine Sardine qui est vraiment opération dans cette zone. Certains, certains disent que c'est des narcotrafiquants. Pourquoi les narcos vont oser s'attaquer parce que quand tu, fraudes pour passer faire tes trafics, tu vas t'attaquer à une armée. mais comment tu vas encore faire tes, tes, tes, tes fraudes de, de, de, de, drogue Les narcos, tant qu'on ne les surprenne pas, ils ne sont pas en position de, défensive, ce n'est pas évident. Ils ne peuvent pas se lever un bon matin, venir attaquer. Pourquoi ils vont venir attaquer un camp Parce que c'est des narcos les narcos, mais il faut les attaquer, il faut chercher à les empêcher de faire le trafic pour qu'ils se défendent. C'est des gens qui sont à la défensive. Or, ici, on a affaire à des gens qui sont à l'offensive. Venir attaquer en plein midi à 14 h Pour qu'est-ce que. Mais un trafiquant de drogue, est-ce qu'il a besoin de ça Il n'a pas besoin des armes. Il a besoin de couleurs pour, euh, pour sortir. Moi, je crois que, sincèrement, moi, je ne peux pas qualifier de ça. Ce qui s'est passé, moi, je crois que la version qu'on peut donner, c'est des jadis. C'est des jadis qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de prendre position dans la région de Meneka, eh, aujourd'hui ils, sont à, Gao, maintenant ils sont en train de déborder dans la région de Meneka. Et je crois qu'aujourd'hui on voit ce qui se passe. Moi je ne peux qu'accuser un certain. Vous, on vous connaît hein, dans la région de Tilabiri en tout cas, vous avez toujours cherché à trouver une sorte de paix. Où est-ce que vous en êtes C'est vrai, c'est notre slogan. Mais de l'autre côté, eh, le pouvoir public, en fonction de ce qui les intéresse, ils font appel à nous. Or, dans ces situations pareilles, il faut, tenir, il faut, il, faut exclure personne. Tous les bras Ce n'est pas parce que seulement tu es un porteur de tenue, tu es un militaire, il faudra que c'est la sécurité, c'est la banalité des militaires. Non, je suis désolé. Chacun, tout un Nigérien, tout un compatriote peut apporter sa modeste contribution. Surtout qu'il y a des gens qui sont, dans, ce, dans ce système depuis plus de 17 ans qu'on est dans, cette situation sécuritaire, je crois qu'on connaît beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, on est mieux placé quand même pour conseiller, en tout cas, nos forces de sécurité ou nos autorités pour la bonne marche. La preuve, ça fait presque 4 ou 5 mois, nous, on a tout fait. Le Conseil des éleveurs, nous avons tenté de faire une médiation entre nos jeunes peuls qui sont de l'autre côté du Mali, et quand toutes ces attaques que nous voyons le long de la frontière, il ne faut pas le cacher, c'est eux. Nous le savons, l'État le sait. On s'est dit que la guerre, ce n'est pas la solution. S'il y a des gens qui sont égarés à un moment donné, ils ont peut-être. Il y a beaucoup d'entre eux aujourd'hui qui veulent revenir à la raison. Nous, on s'est dit que, avec l'expérience que nous avons, les relations que nous avons de l'autre côté du Mali, nous allons créer, en, euh, faire en sorte qu'il de faire une médiation entre l'État du Niger et ces jeunes qui sont dispersés dans ces grosses armées, y compris dans le, euh, dans, en Sardine. nous avons rencontré en tout cas le patron des renseignements généraux, nous avons rencontré le ministre de la Défense, la dernière fois c'était le ministre de l'Intérieur qui nous a euh, reçu avec son staff. on leur a dit voilà ce que nous voudrons faire. Au moins aider l'État du Niger à étouffer à éteindre le feu du nord Tilaberi pour qu'il s'occupe euh, réellement de la question de, Boko Haram. Tous les, en tout cas, trois responsables que nous avons rencontrés étaient favorables. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont informer qui de droit, le président de la République, et entre ils vont se revoir, pour euh, en tout cas nous rappeler et puis voir dans quelles conditions, dans quelles modalités. Depuis lors, vraiment sur le silence, nous attendons, nous avons les bras croisés et nous sommes en train de, de, impunément à ce genre de crimes à de situation. Vous parlez des djihadistes, c'est beaucoup plus dangereux maintenant. Et c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, c'est des, des gens qui sont en train de se former. À la longue, ils vont devenir des vrais extrémistes qu'on ne peut plus contrôler. Or, maintenant, on a peut-être toutes les chances de récupérer au moins, je peux dire, 70% eh, de ces jeunes entre les griffes de ces, djihadistes. Mais à la longue, et avec euh, tous ces efforts de guerre, avec toutes ces situations, ils vont s'aguerrir. Il y a ceux qui vont mourir, il y a ceux qui vont être arrêtés, machin. Mais le restant, aujourd'hui, euh, ils, seront en tout cas des vrais djihadistes et on risque d'avoir une situation comme en Afghanistan. Le dialogue doit primer. Qu'on soit jihadiste, terroriste ou machin, s'il y a des gens qu'on peut récupérer, enlever des griffes de ces gens-là, il faut donner la chance au, à ce de paix. Maintenant, le reste, il faut le libérer, il faut, il faut le combattre. Voilà Boubacar Diallo, président du Conseil des éleveurs le Nord-Tilabéry. Voilà donc ce qu'on peut retenir comme témoignage, réaction et analyse euh, sur l'attaque hier soir de la zone d'accueil des réfugiés maliens de Tazalit dans le département de Tassara. Selon le gouvernement, l'attaque a fait 22 morts parmi les forces de défense et de sécurité. Studio à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM et sur la radio Ampani 100 FM à Minisorwa sur la radio Mangari 95.1 FM à Birningauri sur la radio Maraba 95.1 FM à Dolbel sur la radio Goriol FM 95.1 FM à Saï sur la voie de la Tapoa 99 FM à Mayaï sur la radio Anouri 99 FM à Tamaski sur la radio Mouria 98 FM à Bouza sur la radio Takarkara 99 FM à Magaria sur la radio Kitari 101.5 FM Studio Kalangu au rythme du Niger Studio Kalangu Le dernier aspect de ce forum euh, pour parler de la cybercriminalité la cybercriminalité, c'est un crime commis à travers Internet. Aujourd'hui, en tout cas, ils sont nombreux, les cyberescrocs, les hackers, qui nous menacent, qui nous font chanter quotidiennement à travers des mails et des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, Skype et d'autres. Les spécialistes de la question disent que 150 millions de mails sont envoyés chaque jour par les cyberdélinquants à travers le monde et 80 000 personnes se font arnaquer ou chanter. Pour parler de la cybercriminalité et surtout du cyberchantage, nous avons eu un invité, et un ingénieur en informatique, il s'appelle Haruna Momouni. Ses explications. Le cyberchantage, ça se fait via les réseaux sociaux, donc surtout Facebook, et ça continue vers Skype et peut-être WhatsApp. Ça consiste en la création de faux profils, donc que les, ces cyberdélinquants-là font passer pour des profils de femmes ou bien de filles, et ils invitent d'autres internautes, donc qui vont être plus tard leurs victimes. Ils créent un dialogue direct avec ces personnes et à un moment donné, et euh, ils, essayent de se familiariser avec la personne qui va se mettre, qui va se sentir en confiance à un certain moment et maintenant ils peuvent s'adonner à certains jeux donc euh, vraiment d'exposition de, nudité avec des promesses de concrétisation ainsi de suite et ils, peuvent eux utiliser soit des vidéos donc de personnes inconnues soit des vidéos de personnes connues eux-mêmes donc euh, avec leurs complices des filles qui sont prêtes à exposer leur nudité pour inviter la victime à faire de même. Et dès lors que la personne expose sa nudité, à partir d'une webcam, c'est fini. Un autre profil va revenir ou bien un autre un individu va revenir dire à la personne que il va publier toutes ses vidéos donc et ses photos de nudité si ce dernier n'est pas prêt à lui envoyer de l'argent donc pour acheter son silence. Et c'est ça qui enclenche le processus de chantage. Pour ce que la cybercriminalité, euh, on le connaissait déjà à travers les mails, mhm. mais ça prend surtout de l'ampleur avec les réseaux sociaux. Mhm. On va commencer par exemple par, par Facebook. Comment ça se fait C'est par Facebook que ce dispositif de cyberchantage-là est beaucoup plus fréquent de nos jours. C'est vraiment le canal privilégié puisque c'est à partir de Facebook qu'on a une grande masse d'internautes donc d'un pays spécifique. C'est des bandes organisées qui scrutent ces réseaux sociaux-là pour trouver des individus qui ont entre une petite situation et qui souvent sont mal informés de tous les dangers qui côtoient ces réseaux-là. Oui, quand vous parlez d'une petite situation, hein, des gens qui sont riches. Oui, des gens qui sont riches, mais pas forcément des gens qui sont riches parce que on a l'habitude de rencontrer même des étudiants qui se font prendre au piège, puisque ces gens, ils sont prêts à accepter, par exemple, l'envoi d'une somme de 25 000, de 20 000. Mais le danger, c'est que les, les requêtes ne finiront pas. Donc, dans le monde, en tout cas pour le moment, je n'ai pas eu cas de ces situations au Niger, mais dans le monde, il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées ruinées et qui ont fini par se suicider. Il y a toujours des cas, même au Niger. Au Niger, il y a plusieurs cas. Et il par exemple, euh, quelqu'un, donc euh, dont je tairai le nom bien sûr, qui a eu à envoyer et plus de 6 millions cumulés donc de francs CFA à son maître chanteur. À travers Facebook. À travers Facebook. Pour espérer avoir son silence. Sauf que chaque jour qui passe, les requêtes ne font que se multiplier, donc ça ne finissait pas. Il y a Facebook, oui. il y a aussi WhatsApp, WhatsApp, qui est un réseau très utilisé. Oui, qui est un réseau très utilisé, donc qui est un moyen donc, de communication qui permet via Internet d'envoyer des SMS, d'envoyer des MMS et d'envoyer même des, des informations, donc vidéo, audio et des images. Et là-bas aussi, le phénomène avec euh, la, création des groupes WhatsApp et la création de petits clans. C'est des, des informations qu'on partage, donc positives, mais il y a d'autres informations négatives qui sont partagées, euh, comme les, cas de revenge porn qu'on a eu, je pense que c'est l'année passée qu'il y a eu un cas d'une jeune fille dont les images de nudité se sont retrouvées partagées donc par des milliers de personnes sur ces canaux-là. À travers les réseaux sociaux, on peut toujours se faire prendre. On peut toujours se faire prendre. Que faut-il faire pour limiter au plus les dégâts Pour limiter vraiment les dégâts, on ne peut que qu'inviter les gens à la plus grande prudence, c'est-à-dire même lors de la création donc du compte, certains découvrent Facebook ou bien découvrent d'autres réseaux sociaux par le canal donc d'autres amis ou bien on les invite à s'inscrire. Lors de l'inscription, il est extrêmement important de savoir créer son profil et le sécuriser avec un mot de passe donc qui sera difficile à imaginer donc qui n'a aucun lien avec la personne c'est-à-dire que je ne dois pas mettre comme mot de passe le nom de mon enfant je ne dois pas mettre comme mot de passe ma date de naissance je ne dois pas mettre comme mot de passe mon numéro de téléphone quand on le crée il faut aussi éviter d'accepter de dialoguer avec n'importe quelle personne qu'on ne connaît pas. Très souvent, des prédateurs donc sexuels qui sont pris dans ces panneaux-là parce qu'on pense que c'est un canal où on peut trouver facilement des filles. Les gens n'ont qu'à faire attention. Personne ne leur interdit de faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont qu'à éviter vraiment de dialoguer avec des inconnus et surtout ne pas accepter d'exposer sa nudité à une personne qu'on ne connaît même pas. Euh, il y a un autre aspect, c'est la piraterie à travers les mails aussi. Ça aussi c'est fréquent. Ça aussi c'est fréquent. Pour ça, c'est le même procédé. C'est vraiment de ne pas accepter d'avoir des mots de passe qui sont facilement imaginables euh, par d'autres. Quand on reçoit aussi des mails d'inconnus, éviter d'y répondre. Parce que il y a euh, souvent des gens qui vous envoient un, formulaire ou bien c'est même pas un formulaire, c'est un petit texte comme ça où on vous dit que Yahoo ou bien euh, Gmail va fermer le compte parce que, parce que, parce que, et que on vous demande de mettre votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, mot de passe pour euh, qu'on ne ferme pas votre compte d'ici, je le dis. Yahoo ou bien eh, Gmail, donc qui appartient à Google, ne va jamais vous demander de donner votre mot de passe. Et même dans votre entreprise, vous ne devez pas accepter de donner votre mot de passe à l'administrateur, votre mot de passe d'accès au email. Il est confidentiel et même l'administrateur n'en a pas droit. C'est vraiment personnel. Vous donnez des conseils aux gens, mais quelle autre forme d'aide vous apportez aux, internautes pour qu'ils essaient au minimum, au maximum de limiter les dégâts à travers les cybercriminels. Hmm. Depuis 2007-2008, euh, comme ça, nous avons pris un peu l'habitude d'assister, mais vraiment de manière sporadique, ceux qui nous contactaient, donc avec les connaissances, tout ça là, pour essayer de les aider à ne pas tomber dans les pièges et quand ils tombent dans les pièges, de les aider à se relever. À partir de cette année 2016, le phénomène a été tellement amplifié, il y a tellement de cas, il y a tellement de, de cyberdélinquants qui se sont tournés vers le Niger parce que en Côte d'Ivoire et au Bénin et au Nigeria, au, au Cameroun, ils n'ont plus cette possibilité-là, ils n'ont plus cette marge de manœuvre vu que euh, en Côte d'Ivoire, par exemple, la plateforme de lutte contre la, cybercriminalité est là et les guettes, à tout moment. Ils, ils arrivent à les, identifier, à les arrêter. Donc, sachant qu'au Niger, il n'y a pas ce, en tout cas, dispositif voilà, qui permet de le faire. C'est vraiment un terrain, donc un champ libre. Donc euh, il y a tellement de gens qui se font prendre que, et avec euh, certains amis, nous avons pris l'initiative de créer. vous avez des cas, le nombre de cas qu'on peut enregistrer par exemple, à travers les mails pour le, Non, pour le Niger, je n'ai pas les statistiques, mais je sais que dans le monde, il y a chaque jour 150 millions de mails d'arnaque qui sont envoyés et 80 000 personnes se font prendre chaque jour dans le monde. Ce qui est sûr, au Niger, il y a beaucoup aussi de cas, donc des gens qui se font prendre. voilà, on va parler de votre initiative maintenant. On, a créé donc avec d'autres amis sur Facebook le groupe Niger Cyber Refuge, qui est une plateforme qui a été mise en place qui permet de sensibiliser les internautes, donc les utilisateurs de Facebook sur les différents dangers, les petites techniques, les petites astuces pour identifier les faux profils mais de l'autre côté, cette plateforme aussi est disponible pour aider de manière spécifique et en toute confidentialité les victimes donc de ces cyberchantages-là à se tirer d'affaires, donc à se débarrasser de leur maître chanteur et de manière totalement gratuite aussi. Et vous avez eu des cas que vous avez aidés On a eu par exemple les maîtres chanteurs. On a eu plusieurs cas donc euh, donc de victimes que et nous avons pu tirer de ces maîtres chanteurs-là. Il y a des gens qui étaient quand même pratiquement au bord du rouleau, puisque je me rappelle de quelqu'un qui a envoyé plus de 6 millions de francs CFA à son maître chanteur. Ici à Niamey. Ici à Niamey. Mais c'est quelqu'un d'important, il ne pouvait pas accepter que sa nudité soit exposée. Donc il, s'était retrouvé dans une situation où il n'avait pas le choix, il ne faisait qu'envoyer. Mm. Sauf que les requêtes ne finissaient pas. Absolument. Ah, mais comment vous aidez ces ateliers Bon, mais pour euh, l'aide qu'on apporte, ça dépend de, la manière dont ça dépend du niveau qu'ils ont atteint avec ce maître chanteur. Si c'est déjà, par exemple, euh, il a déjà envoyé donc euh, ses photos, bien ses vidéos, le maître chanteur a commencé par lui demander de l'argent. S'il se tourne vers nous, c'est beaucoup plus facile de gérer cette situation. Mais les situations où il a déjà habitué ce maître chanteur là à recevoir de l'argent, c'est quelqu'un qui a déjà l'habitude d'envoyer de l'argent, c'est beaucoup plus difficile mais nous, nous utilisons en tout cas certaines petites techniques et d'autres moyens qui sont peut-être non conventionnels qu'on utilise pour que, en tout cas, le maître chanteur là puisse laisser cette personne en paix. Si on arrive à localiser le maître chanteur dans un pays spécifique et les pays dans lesquels, par exemple, si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est au Bénin, on transmet aussi ces informations à cette plateforme donc de cybergendarmerie qui va utiliser ça comme en tout cas eh, indice pour essayer de détecter la personne. Par le passé, il y a eu des gens déjà qu'on a fait arrêter par ce canal-là. Ça, c'est pour Facebook, mais est-ce que pour WhatsApp, par exemple, euh, pour mis en place un système euh, d'aide Pour WhatsApp, non. Parce que pour WhatsApp, c'est vraiment les numéros de téléphone et on ne peut recevoir les messages de par WhatsApp que si on est membre d'un groupe spécifique. Toujours est-il que si quelqu'un, en tout cas, se retrouve face à des difficultés de ce genre-là, ils, sont toujours, ils ont toujours la possibilité de nous contacter à travers le groupe Facebook qu'on a créé et Niger Cyber Refuge et on leur donne des conseils pour, en tout cas, se tirer d'affaires. Voilà, vous venez de suivre en seconde diffusion l'ingénieur en informatique Haruna Momoni sur la cyber, la cyber sur la cybercriminalité. C'est la fin de ce forum à 18h58 minutes. On se retrouve lundi pour euh, un autre numéro à la même heure et aux mêmes fréquences. Bonsoir et merci de nous avoir suivis.